le forum du studio le forum le forum 18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou. L'actualité de la semaine a été marquée par le sommet à Niamey des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat pour la région Sahel. En Afrique de l'Ouest, l'actualité est dominée par la réélection du président Buhari à la tête du Nigeria et celle de Macky Sall qui rempile pour un second mandat au Sénégal. Pour analyser cette actualité, j'ai le plaisir de recevoir Boukar Sedikali, analyste politique. Boukar Sedikali, bonsoir. Elhaj Mohamedou Souleyman du journal en ligne Niger Inter. Elhaj Mohamedou Suleiman bonsoir. Bonsoir. Nous attendons d'un moment à l'autre Gare Amadou du quotidien La Nation. Au micro, Mokhtar Hamadou. Bienvenue à vous tous dans le forum de la presse que nous ouvrons par le sommet à Niamey sur le climat. Les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de contribuer par pays membre à hauteur de 10% en termes de contrepartie au financement du programme régional prioritaire dont le coût est de 1,32 milliard de dollars américains sur les cinq premières années. Sedikali euh, ce, sujet sur le climat euh, n'est pas encore suffisamment compris par les populations du Sahel en termes terre à terre. Quelle est l'importance d'une telle rencontre avec euh, tant d'argent Bonsoir Mokhtar, bonsoir chers auditeurs et auditrices. Moi je pense qu'il y a un paradoxe qu'on est en train de vivre au niveau du continent africain en général et de la zone sahélienne en particulier ce paradoxe que euh, nous sommes la partie de la Terre qui souffre le plus des effets néfastes des changements climatiques. Nous sommes en train de vivre au quotidien les conséquences vraiment en tout cas des changements climatiques. Euh, pourtant, euh, il se trouve aussi que dans cette partie aussi du, du monde, les gens, c'est vraiment en tout cas, c'est les gens de cette partie seulement qui n'arrivent pas à prendre conscience de la gravité de la situation parce que vous n'êtes pas sans savoir que on a. Euh, sans, vous couper, l'Afrique, c'est le continent le moins pollueur aussi. Oui, moins pollueur, mais qui vit vraiment le drame au jour le jour. Il ne faut pas oublier aussi euh, aujourd'hui que l'Afrique est aussi pourvoyeur quand même du gros lot de ce qu'on appelle les émigrés climatiques. Vous comprenez Parce que euh, l'Afrique, c'est un continent qui produit. Un continent producteur aujourd'hui qui a euh, face surtout à la réalité qui est la nôtre, avec vraiment en tout cas cette euh, démographie galopante, et que les terrains vraiment en tout cas euh, destinés à produire ce dont nous consommons, ces terrains sont en train de se rétrécir. Voyez-vous Et face à cela, aujourd'hui, les populations n'ont pas d'autres alternatives. la pression démographique. Démographique, voilà. Et, la pression sur les ressources foncières. J'arrive justement, c'est lié. Il y a une interaction entre les deux. Vous avez, vous avez un champ de 100 mètres carrés avec deux enfants et dans 10 ans encore, vous vous retrouvez avec 10 enfants, avec le, même espace euh, cultivable. Voyez-vous, vous avez des problèmes. C'est-à-dire que vous avez 10 enfants pour le même espace qu'il y a de cela 10 ans. Donc, euh, le problème qui va se poser, c'est que vous ne pouvez pas nourrir toutes ces 10 bouches-là. Et le plus souvent, on, assiste à ce qu'on appelle l'exode vers les centres urbains. Et les centres urbains ont tellement grossi, ont tellement euh, reçu vraiment, en tout cas, ces flux migratoires qu'aujourd'hui, on a du mal non seulement à gérer la sécurité de ces cités, on a du mal aujourd'hui à gérer l'alimentation de tout ce bon monde qui est venu vers la ville. Mais pire encore, aujourd'hui, on assiste à un phénomène migratoire transcontinental qui fait que beaucoup de gens se retrouvent en Europe et en allant en Europe, vous savez ce que les gens sont en train de vivre, et dans le Sahara et dans la Méditerranée. Donc c'est pour vous dire que c'est un phénomène extrêmement grave. On entend le plus souvent à travers les médias que le monde est en train de changer, que vraiment, en tout cas, les glaciers sont en train de fondre qu'aujourd'hui, l'espace, euh, c'est-à-dire les, les, ressources humaines, la biomasse avec, euh, bon, si vous voulez, la biodiversité dans son ensemble est en train vraiment, en tout cas, de se rétrécir de façon euh, drastique et que nous devons prendre conscience. Et il y a de cela à peu près 10 ans, des leaders, c'est-à-dire vraiment, en tout cas, des, euh, des porte-voix dans ce domaine, tels que Al Gore, autres, ont attiré l'attention vraiment, en tout cas, du monde entier, surtout l'élite mondiale voyez-vous, euh, euh, des pays, des puissances qui produisent, qui polluent. il a essayé vraiment d'attirer leur attention sur vraiment, en tout cas, la gravité du phénomène et surtout l'urgence d'entreprendre des actions allant dans le sens d'atténuer les effets pervers de, euh, de ces changements climatiques. Malheureusement, aujourd'hui en Afrique, nous ne prenons pas trop conscience. ils sont rares des chefs d'État aujourd'hui qui font preuve de leadership dans ce domaine. Mais heureusement pour nous aujourd'hui, nous sommes le pays le moins pollueur parce que nous sommes les plus pauvres. On n'a pas des unités industrielles aujourd'hui qui sont en train de polluer, même un mètre carré du monde. Mais aujourd'hui, il se trouvé que notre chef d'État, euh, de l'État, étant intellectuel, quelqu'un vraiment en tout cas de très rationnel, il a vite compris la gravité de la situation. Et là, je vais vous dire une chose. Vous n'êtes pas pollueur, mais c'est que vous allez partager les mêmes conséquences avec tout le monde. C'est ça aussi la réalité de ce phénomène-là. C'est-à-dire que quelqu'un qui va polluer, par exemple, au Mexique, un pays comme la Russie qui pollue, la Chine aujourd'hui qui est vraiment le leader des pollueurs aujourd'hui du monde, c'est-à-dire qu'ils sont responsables de la pollution, mais en ce qui concerne par exemple les conséquences, nous allons vivre ici aujourd'hui en Afrique, chez nous. C'est pour vous dire qu'il y a une certaine interaction qui fait que nous partageons les conséquences de ce phénomène. Donc d'où la nécessité et les, vraiment en tout cas l'urgence de créer une sorte de synergie, d'attirer l'attention vraiment en tout cas des populations, sur vraiment, en tout cas, euh, la gravité de la situation. Et Issou a bien compris, en réunissant l'ensemble EDAR, moi, je fais partie de euh, des tout premiers qui ont eu à travailler pour cette commission. Et, là où encore il a, il a vraiment gagné, il a un homme qui a très vite compris les enjeux liés à ce phénomène. Le ministre de l'Environnement actuel, euh, c'est quelqu'un vraiment qui connaît très bien, vous savez, son passage au barrage de Kandaji et ainsi de suite. C'est quelqu'un qui connaît bien le phénomène. Et j'étais très, très, très émerveillé, vraiment, quand j'ai travaillé à côté de lui j'ai compris qu'il saisit vraiment la portée du phénomène. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, c'est le Niger qui a vraiment, en tout cas, porté le grand coup. Et c'est tant mieux. Gary Amadou, euh, saviez-vous si les milliards annoncés auront un impact sur euh, les habitants du Sahel Par exemple, y aura-t-il des infrastructures nouvelles, de l'emploi, des ouvrages pour un mieux-être des populations Oui, mais c'est incontestable. mais le problème, c'est que la lutte contre les changements climatiques, c'est un combat global. En réalité, ce qu'a dit euh, Sidiq, c'est juste. C'est-à-dire qu'il faut une mobilisation globale, internationale, pour pouvoir en fait, lutter contre les effets des changements climatiques. Pourquoi je le dis Parce que euh, c'est vrai que le, président Issoufou est le président du groupe Sahel concernant les changements climatiques lors des différentes COP qui ont été, euh, qui ont été organisées, mais le Sahel n'est pas dans une bulle. C'est-à-dire que le Sahel vit sur une planète on est sur une planète. C'est-à-dire que les mêmes nuages qui, font des, qui se déplacent, la même couche d'ozone, là, nous la partageons avec tous les autres, les, autres pays de la planète. Le problème, c'est que nous, nous ne sommes pas euh, euh, les plus pollueurs, mais nous, nous sommes en train de nous mobiliser. Ce qui m'inquiète, c'est cette absence de mobilisation au niveau de certains pays, en tout cas, surtout les plus puissants, les plus pollueurs. Je parle, par exemple, des États-Unis. Vous n'êtes pas sans savoir que Donald Trump n'est pas dans la dynamique des COP 21, COP 22, etc. etc. Il n'y a pas de la dynamique, euh, euh, en tout cas, de, de, de, faire des efforts pour essayer de protéger, la production. Pour lui, non, non, non, il faut industrialiser pour donner de l'emploi aux Américains, pour faire ceci, cela, ça. Donc, ce n'est pas la même dynamique qui est, et c'est ça qui est inquiétant. Donc, mais quand même, euh, les efforts que sont en train de, déployer les pays du Sahel, vous avez vu, c'était un sommet euh, Sahel, euh, en tout cas climat pour le Sahel, mais il y a eu des chefs d'État quand même des autres pays qui ne sont pas du Sahel qui sont venus. Ça prouve que l'Afrique a pris conscience. Vous allusion au président congolais, ministre voilà, voilà, parce que il faut dire que c'est vraiment une préoccupation et mondiale. Mais l'Afrique a compris. Parce que, heureusement pour nous, nous avons encore les dernières espèces animales sur Terre qui existent sur le continent. Les derniers éléphants, les derniers, les derniers animaux, les derniers lions, n'est-ce pas, des savanes. Les girafes. Hein. Les girafes. nous les avons. Donc, nous, nous devons plus nous mobiliser parce que c'est un patrimoine inestimable que nous avons et qui peut en tout cas engranger beaucoup de ressources euh, en, termes de tourisme, en termes de en tout cas potentialité économique. Donc nous, nous devons encore plus nous mobiliser. On ne doit pas se fier euh, à ce que par exemple quand les Américains disent qu'ils ah, vont faire des efforts, euh, les Chinois ils vont pas faire des efforts, les Chinois disent qu'ils vont faire des efforts, mais ça ne sert à rien. Il faut que le mouvement soit un mouvement d'ensemble. Je vous assure, la planète là est en péril. Les gens ne se rendent pas compte. Parce que tout ce que vous voyez comme catastrophe naturelle, tout ce que, comme tsunami, tout ce que vous voyez comme sous le, euh, comment on appelle ça là, euh, euh, catastrophe, en tout cas les, glissements de terrain, etc., etc., les glaciers qui se fondent, comme il l'a dit, n'est-ce pas Les sécheresses. Les sécheresses. Vous allez voir des lacs qui ont disparu. Le lac de Tchad, par exemple, actuel. Mais il n'était pas comme ça. Aujourd'hui, au plus, plus fort de, son, de, sa crue, si on compare avec les images il y a 30 ans du lac Tchad, c'est autre chose. Ça veut dire que la planète, en tout cas, est en train de courir à sa perte. Si les gens ne se mobilisent pas, si les gens ne font pas des efforts ensemble, les efforts du Sahel, c'est très important, mais que peuvent être les efforts du Sahel face aux autres efforts euh, globaux des autres pays du monde Il faut vraiment que chacun prenne conscience. Et ce qui m'inquiète, j'ai dit, c'est que j'ai l'impression que il n'y a pas de prise de conscience dans certains pays. Parce que quand vous voyez le président américain Donald Trump sortir, dire des énormités, dire des trucs vraiment choquants concernant la mobilisation, que lui, non, non, les accords de Paris, ça ne le concerne pas. Euh, les accords climat, ça ne le concerne pas, lui. L'industrie américaine, il va la réveiller parce qu'il faut créer des emplois pour les Américains. Quand vous voyez des réflexions comme ça, euh, ça dit que des petites réflexions enfantines, parce que ça veut dire que le gars ne va pas plus loin que le bout de son nez, alors qu'on parle de perspective, on parle d'avenir de la planète. Et donc, je dis, j'espère que les, euh, les, Américains vont changer. L'administration américaine va changer parce que je ne suis pas sûr que les Américains sont derrière le président concernant cette question du climat. Alage Mohamedou Souleyman, le chef d'État présent à ce sommet juge ambitieux. Euh, le juge euh, ce projet ambitieux euh, pour le citoyen lambda, le mot ambitieux paraît, pourrait s'aimer le doute. Comment analysez-vous cette communication Bon, vous savez, la question de, du climat, c'est comme aussi la question de sécurité. La sécurité, c'est comme la santé, ça n'a pas de prix. Euh, ça peut peut-être, euh, ça veut dire simplement qu'ils n'ont pas les moyens, mm, ils ont des difficultés à mobiliser les moyens. Mais de là à dire que c'est ambitieux, cela me semble un peu déplacé par rapport aux enjeux, en tout cas, qui sont en, vue. Donc, euh, vous voyez ce que Gary vient de dire. on se rend compte que véritablement, même au niveau des pays, selon les hommes qui sont en place, euh, les situations peuvent euh, être appréciées différemment. Tout le monde sait qu'Obama était pour justement euh, la dynamique de Paris, mais Trump est venu remettre en cause fondamentalement la position de son pays, qui pourtant c'est quand même un des plus grands pollueurs. Donc cela vraiment est assez inquiétant pour la planète et comme on l'a dit ici, les pays pollueurs doivent en tout cas faire plus euh, de sacrifices pour effectivement dédommager le reste de, <laughs> de, de, de monde. De l'humanité, absolument. Parce que c'est le mot, euh, c'est vous qui provoquez en tout cas une situation donc, euh, avec des conséquences. Il faut assumer assumer cela. Donc, il me paraît évident que euh, le président Issou, comme l'a dit euh, euh, Abba ici, c'est c'est que, franchement, on se rend compte que les grandes questions, en tout cas internationales, la question de sécurité, qui aussi qui concerne le monde entier, ça n'est pas du quartier, ce qui intéresse le Sahel, intéresse le monde occidental, intéresse en tout cas l'humanité. Et de la même façon, la question sécurité, la question migratoire, vous voyez, en tout cas, on se rend compte à l'évidence que le président Issoufou, en tout cas, depuis son arrivée au pouvoir, il est très, très, euh, je veux dire, euh, présent dans ce débat et même il est très, euh, en fait, engagé véritablement. ce qui fait que je pense que le fait que notre pays donc, abrite cette conférence, cela met en, franchement en honneur véritablement notre leadership, le dessus de notre, en tout cas, pays. C'est une très bonne chose que qu'on soit vraiment présent et nous l'avons franchement dit que euh, c'est assez important euh, lorsque euh, on, effectivement on a des dirigeants qui, qui, comprennent les enjeux et qui posent les actions qu'il faut sera effectivement pourra booster l'avenir parce que le plus important c'est une question d'avenir de la planète et par conséquent c'est maintenant les dirigeants d'aujourd'hui en tout cas qui doivent poser les actes nécessaires pour permettre à la possibilité, en tout cas, de, s'assumer. Donc, euh, je pense que pour euh, faire court, euh, ce n'est pas vraiment ambitieux. il y a des annonces, on sait effectivement, à d'autres circonstances, il y a eu des annonces. Maintenant, c'est peut-être qu'il faut dire que quand on parle de prise de conscience, si effectivement la prise de conscience est effective, il n'y a pas de raison que les bailleurs de fonds, en tout cas, ne puissent pas mettre le moins qu'il faut pour, en tout cas, prévenir l'avenir de l'humanité, des dangers que je vais dire, quoi, qui, nous concernent tous. Donc, franchement, je pense que on ne peut pas nous dire que les 1,32 milliards demandés, que c'est très ambitieux. Non, je pense que dans une dynamique de mutualisation, comme c'est le, mot, autant le monde euh, au niveau du Sahel, autant au niveau donc, euh, du reste du monde, on voudrait que véritablement les bonnes volontés puissent effectivement euh, venir en aide pour qu'on puisse vraiment prendre en charge ce qu'il faut pour franchement notre avenir commun. Sédicali, euh, euh, peut-il y avoir des non-dits au sujet de ce projet jugé ambitieux En fait, les non-dits, c'est surtout, euh, justement, c'est sur ce point que j'allais justement m'apesantir, c'est surtout l'hypocrisie internationale qui caractérise ce sujet-là. Vous savez, l'affaire de climat, au-delà de tout ce qu'on peut apprendre comme conséquence, il y a aussi des enjeux qui sont liés à ce phénomène sont surtout des enjeux financiers énormes. Vous comprenez Les grandes euh, industries de manufacture, voyez-vous, toutes ces grandes industries aujourd'hui n'ont pas intérêt à ce que vraiment, en tout cas, le monde se tourne vers vraiment, en tout cas, la fin, vraiment, en tout cas, de cette pollution. Parce que euh, aujourd'hui, un pays comme la Chine, l'économie repose à peu près à 80% sur son patrimoine industriel. Vous dites à ce pays-là aujourd'hui d'arrêter tout parce que quelque part le climat est en train vraiment de changer, vraiment la couche d'ozone est en train de se détériorer. Euh, pour eux, vraiment, en tout cas, c'est pas qu'ils ne comprennent pas, mais ils mesurent, c'est-à-dire ils font la comparaison. C'est une question de choix comparatif. Ils vont se rendre compte que en polluant, ils vont gagner, mais en cessant de polluer, ils vont gagner, ils vont perdre. Donc ils vont forcément euh, euh, continuer à polluer. L'autre hypocrisie, c'est que vous savez, les grands pays aujourd'hui ont mis en place une stratégie qui consiste à vendre leur part de pollution à des pays pauvres. Par exemple, euh, je vais vous donner un exemple. La Chine pollue aujourd'hui, par exemple, à 78%. C'est ce que les chiffres disent. Maintenant, euh, la Chine peut vendre au Niger aujourd'hui à travers des financements, c'est-à-dire sa part de pollution. Et maintenant, dans les 78%, la Chine peut nous vendre 20%. Les 20% de la Chine de pollution, c'est le Niger qui va en avoir. Vous savez, ça c'est... Mais euh, le monde il y a une certaine indécence qui caractérise vraiment en tout cas les puissances mondiales qui sont vraiment en tout cas euh, euh, qui construisent les locomotives vraiment en tout cas euh, dans cette aventure de, pollution. Deuxième hypocrisie, je veux dire, c'est même les pays du monde tels que par exemple nous-mêmes. Vous avez vu hier quand les chefs d'État se sont retrouvés, ils ont élaboré un budget colossal qui a vraiment à première vue paraît vraiment quelque chose de très vraiment en tout cas reluisant, mais il faut chercher l'argent là où Aujourd'hui, le Niger ne peut pas financer, le Burkina Faso ne peut pas financer, je ne sais pas moi, le Mali ne peut pas financer. Il faut se retourner toujours vers les États-Unis, la Chine, la France, le Mexique, et ainsi de suite. Les pays qui sont à la base de la pollution. Donc il faut leur tendre la main. C'est pourquoi c'est comme le phénomène de sécurité. Quelque part, il y a le phénomène de terrorisme. Il faut combattre le terrorisme, tout le monde est d'accord, parce que ça constitue un mal vous qui met en cause même l'équilibre du monde. Mais pour avoir l'argent, il faut se retourner vers les mêmes pays qui produisent les armes, les mêmes pays qui vendent des armes aux terroristes. Donc, selon vous, le bout du tunnel n'est pas euh, pour. Euh, non, mais par rapport au financement, je ne me fais pas des illusions. L'autre point sur lequel justement j'allais venir, c'est juste très rapidement. C'est une question de comportement, cette affaire de pollution. Le comportement, c'est surtout à notre niveau. À notre niveau. Vous, vous pouvez, par exemple, aujourd'hui contribuer à ne pas polluer. Quoi Cesser de consommer le plastique. Aujourd'hui, dès que tu achètes la viande dans le coin de la rue, on te met dans un plastique. Si tu achètes du melon, on te met dans un plastique. Ça dégrade l'environnement. Ça dégrade l'environnement, justement. C'est un des éléments pollueurs aujourd'hui, numéro un au monde. Deuxièmement, aujourd'hui, si vous partez, par exemple, vous achetez un vieux frigo qui a été vraiment jeté dans les poubelles en Europe, on l'importe ici en Afrique. Et ce genre de frigo, qui sont des générations anciennes produit ce qu'on appelle le CFC, le chlorofluorocarbone. Et vous, vous allez, à travers ce phénomène-là, polluer l'atmosphère. Et si ça monte euh, à, une certaine hauteur, ça détruit ce qu'on appelle la couche d'ozone. La couche d'ozone est le bouclier, justement, contre les rayons X. Dieu a fait en sorte que, la nature a fait en sorte qu'au-dessus de nos têtes, il y a cette couche-là qui nous protège. Mais l'excès vraiment de ce phénomène toxique corrose, c'est-à-dire ça diminue vraiment euh, cette couche. Et du coup, les rayons X vont descendre, la chaleur va augmenter sur la Terre rapidement. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, le problème est extrêmement grave, extrêmement sérieux. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'Afrique est devenue le dépotoir des industries occidentales, n'est-ce pas La Côte d'Ivoire, on a, on a détecté un endroit où les déchets électroniques sont déversés. Les, les, vieux ordinateurs, tout ce qui peut en tout cas être source de pollution, sont déversés. Vous vous rappelez l'affaire du, l'affaire du Probo Koala, etc., etc. Et d'autres affaires vraiment aussi. aussi L'Afrique est devenue une dépotoir. C'est-à-dire que ces industries-là qui polluent non seulement elles polluent l'atmosphère, non, non, mais les déchets même, elles ne peuvent pas gérer leurs déchets. On nous amène les déchets sur le continent. Est-ce que vous voyez C'est-à-dire que euh, c'est nous, encore, on vient polluer notre atmosphère, on vient polluer notre sous-sol, n'est-ce pas On vient polluer nos cultures et, et, et, et, en tout cas contaminer beaucoup de populations. Et là, je vous dis que c'est un problème extrêmement grave. En fait, je vous dis que tant que, par exemple, il a parlé de déchets plastiques, l'Afrique ne, produit pas les, déchets, les, sacs plastiques. Les sacs plastiques sont produits dans d'autres pays, on nous amène. Bon, c'est vrai, on peut interdire. Mais le mieux serait que l'usine qui produit le plastique, qu'on puisse la fermer. Mais ces usines sont dans les pays occidentaux. Et donc, tant que les pays occidentaux ne prennent pas eux-mêmes conscience, puisque c'est eux qui sont en train de nous euh, euh, envahir avec leurs produits, ça sera une bataille difficile. Au Nigeria, Mohamedou Buhari a été réélu pour un second mandat à la tête du pays le plus peuplé d'Afrique. À 66 ans, ce général à la retraite a récolté 56% des voix contre 41% pour son principal adversaire Atiku Abubakar, candidat du Parti populaire démocratique PDP qui conteste les résultats. Vous étiez sur place. Comment avez-vous vécu ces élections d'abord repoussées d'une semaine Qu'est-ce qui a euh, retenu votre attention et, que vous aimeriez partager avec euh, le public euh, nigérien Le plus important, moi, ce qui m'a vraiment, franchement, intéressé, c'est le fait que l'AINAC, donc c'est la Commission électorale nationale indépendante, a décidé à 6 heures du vote. À 2 heures du matin, le vote doit commencer à 8 heures. Ils ont décidé de reporter. Et vous avez vu la, la, réaction d'abord du président Buhari lui-même et de l'opposant principal. Qui, donc cela veut dire que véritablement cette commission est vraiment indépendante. Puisque la suite des réactions et du pouvoir et de l'opposition ont montré que véritablement cette commission est indépendante et elle a pris souverainement euh, sa décision pour des raisons logistiques. Donc ça, c'est quand même euh, assez quand euh, euh, c'était vérifiable sur place. C'était vérifiable sur place. C'est Vérifiable. La, la, position, en tout cas, Buhari a été très très clair. Il a même dit après les élections, il faut savoir pourquoi ils ont, ces gens-là ont en fait reporté les élections. Et maintenant, l'opposition accuse le pouvoir. Donc, de ce point de vue-là, aucun doute. Et maintenant, selon en tout cas les techniciens sur place, que franchement, euh, elle est indépendante à INAC au Nigeria, que le pouvoir, en tout cas, a comme vocation de, de pourvoir, euh, en tout cas, INAC avec, avec les moyens, mais comme reconnaissant, euh, en tout cas au Nigeria, ils ont quand même une, une, démocratie par rapport à nous. Le, Nigeria faisait la démocratie quand même depuis quelque temps. Mais on, se souvient quand même, si l'autre, cette année par exemple, a, il a rejeté les élections, il n'a pas reconnu, mais son, euh, Jonathan, euh, bien avant, euh, en, tout cas, il a, reconnu sa, défaite. Mhm. Avant le document, il a appelé Buhari. Donc, moi, je, je, me dis que, franchement, ce qui est intéressant, ce que j'ai vu quand même aussi, aujourd'hui, la biométrie, c'est une réalité. Quand vous venez, vous allez voir. et ils ont la, machine, ils ont la machine, ils ont la, la, la, la machine, mais en plus de la machine, il y a les, les, maintenant de quand c'est pas possible, il y a des difficultés avec la machine, tu vas faire donc le, le vote, le vote manuel, mhm. tu es enregistré. Mais comme le le, le, plus important de la biométrie, c'est qu'il y a ta photo. Et autrement dit, quelqu'un qui n'est pas enregistré sur la liste électorale, il ne peut pas voter. Donc ça, c'est un peu la tendance aujourd'hui en Afrique euh, euh, de l'Ouest, en tout cas, euh, la, la, la, biométrie. Donc moi, je pense que de, ce qu'il faut dire, retenir en tout cas comme, comme, comme leçon, euh, par exemple, que euh, moi, en fait, l'enjeu, c'est que, euh, il me paraît évident que quand vous interrogez les Nigériens, vous, en fait, au niveau des candidats, ils vont dire que bon, on fait face à quelqu'un qui est intègre, qui a fait vraiment la preuve de son intégrité, mais face à quelqu'un qu'on pense que, en tout cas, un peu scandaleux, qui pourrait remettre, remettre en cause l'acquis sécuritaire et aussi l'acquis de la bonne gouvernance. Donc, euh, je pense que, euh, en tout cas, l'opinion ici au Niger, quand je lis le pouvoir opposé, en tout cas, tout le monde est content que Buhari passe. Parce qu'effectivement, si Buhari ne passait pas, cette situation allait avoir des conséquences, à mon avis, sur le Niger. Gary Amadou, quelle est votre analyse à propos des élections au Nigeria Oui, les élections au Nigeria, l'analyse est très simple. Ça veut dire que ce n'est pas l'argent qui gagne qui fait gagner les élections. Vous avez Atiko Abakar qui est multimilliardaire, un homme bourré de fric oui, oui, qui a, vraiment. Euh, on ne peut même pas estimer euh, euh, l'argent qu'il a. Et vous avez maintenant le gars qui a toujours l'habit simple là qu'il met, n'est-ce pas En tout cas, l'habit blanc qui, ne fait pas de l'ostentatoire. Qui est quand même le candidat sortant. Qui est le candidat sortant, c'est vrai, qui a échoué face à Boko Haram parce que là, c'est l'échec. Il avait dit que sous son mandat, il allait éradiquer Boko Haram. Échec et mat. Il n'a pas pu mais quand même qui avait de l'estime auprès de la population pour euh, justement le programme de, lutte contre euh, la, malgouvernance. Et vous avez donc ces deux candidats. J'ai écouté la dernière fois une audio d'une Nigériane qui dit que ah oui, euh, les gens ont pris l'argent de Atiku, ils n'ont pas investi, ils ont mis ça leur compte en banque, n'est-ce pas Ils n'ont pas fait le travail. Elle était en larmes, les gens ont trahi Atiku. Non, mhm. en fait, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que Atiku, c'est l'homme des affaires, c'est l'homme des, comme il dit, quand il va arriver, tout le monde sera bien. Et quand il le dit, tout le monde sera bien parce que bon, il y aura le haraka comme on dit. la corruption, ce que vous voulez. Ah, en tout cas, il y aura beaucoup de, facilités que euh, Buhari a empêché. Bon, vraiment, il y aura tout, les dessous de table, etc. etc. Vraiment, l'argent va circuler, quoi. Est-ce que vous comprenez ce que Buhari a empêché Eh les gens ont compris que non, c'est l'intégrité face à la malgouvernance. Et face à la malgouvernance, les gens préfèrent plutôt prendre quelqu'un qui est intègre, quelqu'un qui ne va pas puiser dans les, dans, les caisses de l'État, peut-être, qui va, pas, qui va empêcher à ce qu'on puisse dans les caisses de l'État plutôt que de mettre quelqu'un qui va pratiquement brader les ressources, faire en sorte que la corruption puisse s'installer, que les hommes d'affaires, que les pots de vin, etc., que ça puisse avoir de Les gens préfèrent l'assurance d'avoir quelqu'un au pouvoir plutôt que lui. Et c'est pour cela le score est sans appel. 56, mais je vous dis, il a été battu. Ce qui me fait le plus mal, c'est la mauvaise foi des hommes politiques. Vous savez, quand on ne croit pas dans un processus électoral, le mieux qu'on puisse faire, c'est de ne pas s'engager. C'est-à-dire que si Atiku n'avait pas confiance à la commission électorale du Nigeria, il aurait dû ne pas, participer. Vous voulez dire que Atiku est, un mauvais pardon Pourquoi je le dis Parce que c'est trop facile quand vous avez perdu, de dire que vous, ne, croyez pas aux résultats. Boukara Sidikali, le candidat malheureux Atiku Aboubakar, a rejeté euh, les résultats et compte faire recours. Euh, comment voyez-vous cette euh, situation quand on sait que dans beaucoup de pays africains, les recours n'aboutissent presque pas il y a des réalités, il y a des éléments qui nous permettent aujourd'hui d'appréhender la réalité africaine. C'est quoi D'abord, euh, il faut aller aux élections. Ça, c'est une réalité. Tout le monde accepte d'aller euh, aux élections. Maintenant, quand on part aux élections, il y a toujours le candidat, c'est-à-dire au pouvoir, celui qui est vraiment qui, qui a les ressources de l'État, tout ça, utilise des maillons, c'est-à-dire de tout ce qu'il a vraiment à sa portée au niveau de l'État, c'est-à-dire euh, l'administration, vraiment en tout cas les ressources de l'État, tout ça, pour s'imposer, c'est aussi une réalité. Maintenant, malgré tout, les commissions nationales qui sont mises en place, c'est des commissions plus ou moins contestées. Les gens, après les élections, c'est-à-dire que le plus souvent, euh, euh, le pouvoir en place euh, vraiment fait passer son candidat. Une fois que le candidat passe, l'opposition conteste et la Cour constitutionnelle, en en dernier recours, valide toujours les élections. Ça, c'est une réalité qui est vraiment propre aujourd'hui au continent africain. C'est une entorse à la démocratie, je ne sais pas c'est vraiment, en tout cas, quelque chose de propre à l'Afrique. Dans tous les cas, nous sommes face à une réalité. Maintenant, ce qui est plus important, revenons au Nigeria. Vous savez, eh, Buhari, Atiku, ces deux cartes. D'un côté, il y a Buhari, qui est le candidat du peuple, c'est-à-dire du bas peuple. Le candidat de ceux qui ont vécu toujours dans des difficultés, ceux qui ont du mal à joindre, les deux bouts, comme on dit. Voyez-vous De l'autre côté, vous avez l'homme d'un aristocrate quelqu'un de vachement riche. Euh, des vraiment, opérateurs économiques. Des opérateurs reconnus, de toute cette vraiment, en tout cas, intelligentsia, tout, euh, tout cet établissement, tout ça là. C'est un candidat de grand, comme on dit, là-bas. Donc, ils sont euh, aujourd'hui devant vraiment, en tout cas, une épreuve difficile, qui est l'épreuve vraiment de la sanction. Le peuple doit sanctionner. Et maintenant, le peuple aujourd'hui, qui est en rupture totale avec vraiment, en tout cas, cette classe de gens corrompus. Vous connaissez aujourd'hui, le Nigeria fait partie d'un des pays les plus corrompus au monde. Et si la corruption aujourd'hui au Nigeria, vous essayez d'apprécier, ça dépasse largement l'entendement. C'est comme au Mexique, dans certains pays où il y a mm. vraiment en cas des cartels. Mm. Le Nigeria fabrique même certaines choses parallèles. Même la nerf est produite, voyez-vous, parallèlement euh, au système financier de l'État, au système fiduciaire de l'État. C'est pour vous dire que Atiku Abubakar a perdu parce que tout simplement, euh, lui, il est le candidat des grands. Et les candidats des grands ne sont pas vraiment en ordre de sainteté avec le bas peuple. Bohari a gagné parce que Bohari avait engagé deux chantiers le chantier de la lutte contre la corruption et de l'autre côté le chantier de la sécurisation du pays. Les deux sont difficiles. C'est pourquoi justement Gary l'a dit tout à l'heure. Il a eu vraiment, en tout cas au début, il l'a annoncé, mais la faisabilité vraiment, en tout cas, de ces deux, euh, vraiment, en tout cas, de ce projet-là a été vraiment très problématique. La corruption, ce n'est pas tout le monde qu'on peut, qu'on peut apprendre. C'est vrai, il a essayé vraiment, en tout cas, d'assainir un peu, il a arrêté certaines personnes, mais très vite, on l'a empoisonné. Vous, vous même sa vie a été attentée. Et il s'est retrouvé pendant 5 mois, 6 mois à Londres. Ils l'ont fait un cul, il a été désintoxiqué quand, on l'a amené. Et, et lui-même, il était contraint de revoir un peu le rythme de l'évolution, c'est-à-dire de son combat contre la corruption. Mais malgré tout, il a fait ce qu'il a fait. Et il est en train de le faire. Certainement que le deuxième mandat, qui est toujours un mandat décisif, le mandat vraiment en tout cas de l'action, beaucoup de gens doivent s'inquiéter parce que tous ceux qui ont volé, vraiment en tout cas des milliards et des milliards de naira au Nigeria vont rendre gorge. Deuxième phénomène, la lutte contre euh, l'insécurité. Justement, vous avez vu l'armée du Nigeria, Boko Haram notamment, le Nigeria a fait ce qu'il a fait, mais malheureusement, l'armée du Nigeria reflète la même réalité du pays. C'est-à-dire que c'est une armée qui ressemble même un peu au monde politique nigérien. Beaucoup d'officiers, c'est des officiers corrompus parce que c'est des milliardaires vous ce n'est pas facile de vraiment, en tout cas, euh, à tour de bâton magique comme euh, ça, vous d'assainir l'armée, reformer l'armée et de le mettre vraiment, en tout cas, sur le théâtre d'opération. Donc, il a eu du mal vraiment à, concrétiser les deux projets, mais moi, personnellement, j'ai dit, le deuxième vraiment mandat sera un mandat vraiment, en tout cas, très, très, très décisif. Alors, Mohamedou Souleymane, quels sont aujourd'hui les motifs qui expliquent la réélection du président Buhari, puisque la lutte contre la corruption et le terrorisme reste encore d'actualité au Nigeria. Euh, premier élément, euh, la question sécuritaire, contrairement à cette que il n'y a pas parlé de chaque émat. Souvenez-vous au temps de Jonathan, mhm. la situation était déterrorisée, sérieusement. Mais quand, quand Buhari était venu, il a quand même euh, donné de l'espoir. Il a quand même eu. À, euh, à, euh, mais, c'est quand, même, en son, temps qu'il y a eu les enlèvements de Chibok, des attaques. Il y en aura mais, encore. Mais, justement, justement c'est ça. En fait, j'ai dit qu'avec Jonathan. Mm. que les de, mauvaises ah, ah. langues justement disent que comme si c'était entretenu en fait beaucoup a était entretenu par ce, système Parce que donc là vraiment Bouhari a inversé la tendance beaucoup reste à faire mais quand même de ce point de vue là on peut dire que le résultat est en tout cas est la deuxième chose sur la question de la, de la, de la, corruption, de, la corruption euh, ça, comme il le dit, effectivement, vous savez, le peuple, le bas peuple, effectivement, aime la justice. Parce qu'il sait que, voit comment les gens se la coulent douce et ils savent que c'est justement les conséquences de la corruption qui font que euh, les biens du pays ne sont pas partagés. Il n'y a pas accès équitable. Pas, donc, ça, partage équitable sur, ressources. Sur, ce terrain, Bahar a fait ses preuves. Et il continue de faire ses, ses, ses preuves. D'aucuns disent que d'ailleurs, son plan avec Obasanjo serait effectivement le fait qu'il a euh, vraiment euh, mis un terme à un certain nombre d'intérêts de Obasanjo pour ne pas vraiment trop passer de la spéculation. ce que j'évite en tout cas, c'est même dans l'autre aspect aussi. Est-ce que vous savez qu'avec Buhari, aujourd'hui, le Nigeria a réduit sa production de riz, selon, euh, je crois, euh, Jeune Afrique, à plus de 80%. Euh, cela, veut dire que véritablement. L'importation de riz. Mhm. L'importation, autrement dit, le Nigeria est en train de s'autosuffire en, riz. Mhm. Et le Nigeria, en termes de population, Imaginez, il faut voir. Donc, euh, euh, de, mon, point de vue, euh, j'allais, j'allais dire un, mot vraiment, pour, en tout cas notre opinion, en tout cas pour le Niger, rapidement, pour rapidement. C'est que, aussi ce qui m'a émerveillé au Nigeria, c'est le fait qu'il y a beaucoup de partis, mais on ne voit que deux partis. Quand vous venez, ils ont avalisé tous les autres partis. Il n'y a que PDP et PC que vous voyez. Cela veut dire que, contrairement ici chez nous, où euh, le monde politique est éparpillé et on fait des alliances pour avoir un gouvernement. Vous voyez, je pense que c'est assez important qu'on puisse comprendre qu'il faut vraiment euh, notre jeu politique, en tout cas le discipliner. rapidement, ce que je voulais dire quand même, euh, sur, le volet sécurité, et moi ça me fait de la peine de le dire, mais, mais, Buhari assume cet échec-là, n'est-ce pas Et la preuve, je pense que pour, pour se rendre compte de l'échec de, de, de, Buhari concernant la lutte contre le terrorisme, c'est que Boko Haram est en train de reconquérir certaines villes. Boko Haram a reconquéri des, des villes qui étaient eh, en tout cas, qui, avait été reprise. Et comme pire humiliation, d'abord l'armée nigérienne est le moyen faible de la lutte sous-régionale contre Boko Haram, mais les soldats tchadiens sont revenus encore à renfort. Vous vous rendez compte Une armée, un pays de plus de 200 millions d'habitants qui est considéré qu'il avait... Et c'est les Tchadiens qui reviennent, 500 militaires tchadiens qui sont rentrés pour aider à reconquérir. C'est un échec. Ça me fait, ça, c'est triste de le dire, mais je pense qu'il n'a pas réussi. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on va aborder, on va <laughs> aborder la seconde non, c'est pour vous donner un chiffre. Rapidement, mm. rapidement. C'est pour vous donner un chiffre, c'est la même. Rapidement. Ils sont au nombre de 18 millions d'hommes. Vous comprenez Le Nigeria, aujourd'hui, a 4 porte-avions, c'est-à-dire les, les, porte-avions. Maintenant, le chiffre euh, avec les 3 commandes passe à 7. Il y a des, vraiment des études qui ont révélé que le Nigeria est une puissance avec l'Afrique du Sud, l'Algérie et l'Égypte qui sont capables de faire face aujourd'hui à n'importe quelle agression pendant un moment donné. Pendant que d'autres pays aujourd'hui ne sont même pas capables de faire face à un seul contingent, une compagnie, voyez-vous, euh, occidentale qui peut débarquer. C'est pour vous dire que le Nigeria ne peut pas ne pas gérer un petit phénomène comme Boko Haram. C'est-à-dire que c'est une réalité interne, c'est que l'armée est déstructurée, l'armée est démotivée, l'armée est corrompue. Et pour faire fonctionner cette armée, vraiment c'est tout un problème. Pas de, second, tour au Sénégal où le président Macky Sall a obtenu son coup KO avec 58,27% de suffrages exprimés, devant Idrissa Seck crédité de 20,50%. Elage euh, Mohamed Souleymane, comment expliquer cette victoire de le premier tour dans un pays africain de l'Ouest et francophone où les populations ne sont pas habituées au coup KO Bon, franchement, euh, très euh, de manière très ramassée, il y a deux, euh, deux, deux réalités. Il y a d'abord le, le, travail abattu par Macky Sall, qui très vraiment flatteur. En tout cas, il a fait beaucoup de choses. Et la deuxième chose, c'est aussi l'usage vraiment abusif de, de, la, justice. De la justice, par exemple, aujourd'hui au, Sénégal, deux les principaux opposants euh, euh, Sall, euh, le, maire de, Dakar et, vous faites allusion à Khalifa Le fils de Wad, euh, Karim, mm. sont vraiment épargnés par la Cour constitutionnelle, donc par la voie légale. donc vous, sont, disqualifiés. Vous voulez dire que ce sont les deux poids lourds qui, ont, qui sont écartés, ont été écartés Absolument une, une réalité. Si ce gars là était candidat, il n'allait pas passer au premier tour. Ça, c'est incontestable. Donc, euh, disons que, franchement, euh, ça donne des leçons qu'en Afrique, jusqu'ici, en tout cas, vous voyez, le Sénégal, jusqu'ici, jusqu'à preuve du contraire, c'est la plus grande démocratie. En tout cas, il n'y a jamais eu de coup d'État dans ce pays. Et ils arrivent, contrairement au Nigeria, les opposants disent ne pas, ne vont, pas faire de recours. Euh, donc, en fait, ils vont passer à autre chose. C'est déjà un acquis. En fait, moi, je pense que quelque part, selon les pays, il y a des situations, moi en tout cas, je sais que c'est une situation allait se produire dans notre pays euh, aux élections de 2016, ça allait être, catastrophique. Mais au Sénégal, vous voyez, un peu, c'est presque. C'était un cas plus aggravant parce que vous voyez les, opposants, le seul qu'ils ont, ont subi, c'est presque le même schéma ici. Mais ici, chez nous, ça allait être plus, en tout cas, euh, catastrophique. Donc, pour dire qu'en fait, chaque pays a sa façon de gérer ses, c'est probablement à lui. Donc bon, il y a des leçons en tout cas à, tirer. À, Boukara Sidikali, à votre avis, quels sont les facteurs qui ont joué en faveur de Macky Sall Il vient de le dire. Macky Sall, euh, c'est un mauvais gagnant. Parce que tout simplement, euh, c'est-à-dire, il n'a pas été capable vraiment, en tout cas, de jouer véritablement le jeu démocratique. C'est-à-dire, en emprisonnant Karim Bouad, en emprisonnant tous ces deux euh, tous ces deux challengers là, vraiment les principaux challengers aujourd'hui, qui sont vraiment en tout cas des leaders à l'opposition, il les a foutus en prison. C'est vrai, quelque part, il a mené une action qui est très visible. Vous savez, le plus souvent, euh, j'ai compris que beaucoup de chefs d'État africains, c'est-à-dire que euh, leur façon même de gérer, leur façon, c'est-à-dire que leur bilan assez souvent se résume à ce qu'on appelle les ouvrages structurants. C'est que vraiment, en tout cas, du tape à l'œil dans les grandes villes. Vous avez vu la ville artificielle qu'il a construite à côté de Dakar. Vous avez vu les trains. Mais, à, côté, de toutes ces réalisations, il y a le train de vie quand même euh, des populations euh, sénégalaises. Pas forcément. Je ne suis pas d'accord avec vous sur ce plan. C'est-à-dire qu'il a amené un TGV de la Chine qui coûte euh, vraiment, en tout cas, le, vraiment un coût faramineux. De l'autre côté, il a fait vraiment, en tout cas, des gratte-ciel, des villes artificielles. Mais véritablement, moi, j'ai l'habitude de dire, vous savez, il y a ce qu'on appelle c'est-à-dire l'appétit du pouvoir. Est-ce que, les Sénégalais ont accès, à, euh, euh, accès à une santé de qualité Mais justement, c'est ça les, euh, vraiment les besoins de base. À ce que concerne par exemple les besoins de base, là. aujourd'hui le Sénégal n'a pas progressé d'un état. Je suis, je suis totalement en porte à voix avec celui qui va me le dire. Mais quelque part, mais c'est-à-dire qu'il y a une, un, c'est-à-dire, un écart, un agrandissement de l'écart entre la classe des riches et la classe vraiment en tout cas des pauvres. Il n'y a même pas de classe moyenne aujourd'hui au Sénégal, d'après les analystes. Vous avez des pauvres qui s'appauvrissent davantage et des risques euh, qui s'enrichissent davantage. Et aujourd'hui, Macky étant lui-même un homme riche, un homme vraiment en tout cas de l'aristocratie, voyez-vous, euh, aujourd'hui il s'est entouré vraiment de tout ce bon monde de riches-là. Il a vraiment importé des choses qui peuvent taper à l'œil. Vous allez voir des gratte-ciel aujourd'hui qui sont à Dakar, qui ne sont même pas dans certaines villes du Nord, voyez-vous. Et cela, c'est-à-dire que c'est cette image qu'elle a vendue auprès de l'opinion internationale. Mais il ne s'est pas préoccupé de son opinion nationale parce que tout simplement, assez souvent, les chefs d'État africains ont cette tendance à vouloir vraiment, en tout cas, euh, c'est-à-dire forcer la, euh, le choix du peuple, mais ils sont plus regardants par rapport à la critique qui vient de l'extérieur. Malheureusement, c'est ça. Mais vous, je vais vous donner un exemple. Rapidement, euh, rapidement. le pont entre Dakar et. et C'est-à-dire, il y a un pont, j'ai oublié son nom, <laughs> a coûté 122 milliards. Et le nouvel aéroport. Le nouveau, euh, euh, nouveau aéroport. S'il vous plaît. Mm-hmm. C'est-à-dire un pays qui manque de goudron, de, vraiment en tout cas des voies bitumées. Moi, j'ai l'habitude de dire, si vous prenez par exemple une 122 milliards, vous divisez par 350 millions qui est aujourd'hui, par exemple, euh, je parle de, de réalité de notre pays. Au Niger, le kilomètre de goudron, c'est autour de 350 millions, 400 millions. Si vous divisez par 400 millions, combien de routes bitumées vous allez avoir qui vont desservir les villages et les hameaux où il y a vraiment des cliniques où on peut vraiment facilement euh, euh, rejoindre vraiment des services sociaux de base. Gary Amadou, euh, quelques heures avant la publication officielle des résultats, Idrissa Seck et Ousmane Sanko ont multiplié des, déclarations remettant en cause la victoire du Macky Sall dans le premier tour, affirmant qu'un second tour est inévitable. Comment expliquer cette posture de ces deux candidats malheureux Vous savez, déjà, les constitutions interdisent aux candidats de se prononcer avant la commission. Mais il y a le Premier ministre sénégalais qui a déjà donné des chiffres euh, bien avant. Non, tout ça, c'est des fautes. Vous savez, c'est des fautes. Mais, vous savez, la démocratie, elle a des règles. C'est vrai, il ne faut pas rentrer dans des analyses techniques pour dire que, voilà, Macky Sall... Non, non, non. Macky Sall a été élu parce que ceux qui pouvaient le gêner ne sont pas candidats. Point. Bah, ça, ça, a été un boulevard pour Non, c'est clair, oui, mais c'est clair. Oui, mais parce que si Karim Ouad était candidat avec l'arrivée de son papa au Dakar, ce n'est pas évident que ça se passe comme ça. Et, et si, si Khalifa Sall était candidat, ce n'est pas évident que ça se passe comme ça. En tout cas, pas au premier tour. Et lui, il est soutenu par une coalition à euh, Macky Sall. Mais il est élu parce que tout simplement, ceux qui pouvaient le gêner, en tout cas, ont été écartés dans l'ordre normal des choses. Parce que, comme je l'ai dit, la démocratie, c'est des règles, c'est des institutions. Et les institutions, il y a la justice. Maintenant, ce n'est pas des dossiers fabriqués par Macky Sall. Macky Sall profite des situations où des gens parce que quand on fait de la politique, on doit faire attention, on marche sur les yeux. Vous devez faire attention. Si vous avez des ambitions, faites attention là où vous mettez les pieds. Vous voyez Donc, si vous commettez des impairs, ça vous rattrape. Et Macky Sall savait très bien que. Ce n'est pas qu'il a instrumentalisé la justice. Non. Mais il sait que des impairs ont été commis, mais on ne fait pas de cadeau à l'adversaire. Tout celui qui peut te gêner dans le cadre de ta marche en matière politique, mais tu l'élimines. J'ai l'habitude de le dire. Quand on voit un adversaire politique qui va tomber dans un ravin, c'est pas que vous le retenez. Non, vous le poussez même un peu pour qu'il puisse tomber. Vous l'enfoncez. Ah non, mais c'est clair. Oui, oui, il n'y a pas de cadeau. Ceux qui rentrent dans l'arène politique doivent savoir que ce n'est pas, euh, euh, pas un compte de fait. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, comme les, relations personnelles où on, peut, on peut, on peut dire que non, il y a la pitié. Non, non, en politique, il n'y a pas de pitié. Il y a des intérêts, il y a des calculs. rapidement, en 10 secondes. en ce qui concerne, par exemple, la justice au Sénégal, euh, tel que vraiment, en tout cas, euh, euh, la posture de Macky Sall, je ne suis pas du tout d'accord avec mon ami Gary. Vous savez, les gouvernants, les tenants du pouvoir ont toujours tendance à manipuler la justice. Ce n'est pas seulement au Sénégal. J'arrive, s'il vous plaît. on, est, on contraint par le temps. le temps, le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Boukal Sénégal, je suis désolé. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités, Boukara Sidika Ali, journaliste et analyste politique. Garé Amadou du quotidien La Nation et El Hajj Mohamed Souleyman, directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter. Merci aussi à tous les auditeurs pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h15 avec Maman Ada pour le forum en Hausa et Balkis Hamidou pour le forum en Zarma. Merci, au revoir.